Les 20e édition du concours sous sur le Coran, 25e édition du concours régional sur le Saint-Coran. Ce concours initié depuis 1992 par l'Union de la jeunesse musulmane sénégalaise dont j'ai l'honneur de diriger. Comme vous le savez, on avait cette année deux invités de marque. Il s'agit de M. Mohamed Al-Mouchaba Diallo, euh, qui est le champion du monde du concours sous-régional qui a été organisé en Malaisie. Euh, que par l'occasion, je profite pour demander à nos autorités administratives, et son excellence le chef d'État, M. Macky d'initier un concours international sur le Coran. Comme vous le savez, le Sénégal est un pays à 95% de musulmans euh, et tous ces concours organisés partout dans le monde, en Égypte, en, Turquie, en Arabie Saoudite, au Koweït, au Malaisie, tous ces concours, c'est des initiatives nationaux organisées par ces États locaux. Donc, euh, pour montrer que le Sénégal, est un pays de Coran, le Sénégal est un pays de Sunna, le Sénégal est un pays de 95% musulmans, nous profitons de cette occasion pour demander à nos chers autorités d'organiser un concours international du Coran parce qu'il y a plusieurs initiatives euh, locales euh, de par là et de par d'autres. Mais si l'État prend l'initiative d'organiser un concours national, national et international du Saint-Coran, ça sera, ça sera une occasion de rassembler toutes les forces vivres de ces coran et toute euh, l'intelligence coranique internationale euh, pour euh, que notre pays soit l'un des capitales coraniques du monde entier. Ah, comme vous venez de, de, de, de, voir, comme moi, le parc c'est d'avoir deux sortes de marques le Sénégal a beaucoup, depuis, depuis l'indépendance du Sénégal, le Sénégal passe à des, organisations internationales et sportives et n'a jamais remporté euh, un titre international ni sur le football, ni sur le basket, ni d'autres Mais c'est la première fois que le Sénégal remporte un, euh, prix international, mais sur le plan coranique. Donc ça, parce que c'est que, euh, que, le Sénégal apporte ce, prix et que les deux lauréats acceptent d'être les invités de marque de Thiès. Parce que depuis leur arrivée, ils n'ont pas sorti du capital sénégalaise. Mais c'est la première fois qu'ils acceptent de sortir de, Dakar. C'est pour venir honorer les, les, participants tiessois et les participants de la sous-région et surtout les populations tiessoises. notre Saint-Coran nous recommande d'être des conseillers, entre autres. Donc nous, ne sommes pas en, train de critiquer nos États, mais nous sommes en train de les orienter euh, pour qu'ils pour qu'ils se réentrent vers l'initiation euh, de ce genre de concours. Parce que, comme vous le savez, moi je suis parmi les, les, les, parmi les leaders d'opinion, euh, porteurs de voix, religieux, qui, qui, qui, qui, apprécient beaucoup ce que le chef d'État est en train de faire pour le Coran et pour les foyers religieux du Sénégal et pour l'enseignement arabo-coranique. Parce que depuis l'indépendance du Sénégal, c'est la première fois que le bac arabe est accepté dans les universités euh, sénégalaises. Euh, le porte de les portes de l'ENAM étaient fermées devant les Arabiens, mais ça a été réouvert grâce au président Macky Il est en train aussi de s'occuper des foyers religieux du Sénégal. Donc nous saluons tout ce qu'il fait pour l'islam et le soufisme et le Coran, mais nous demandons de faire d'autres efforts, surtout d'organiser un concours international sur le Coran. 25e édition du concours régional, vous et être régional, euh, national. Hein? Vous envisagez international ou euh, international si on a les moyens, bien sûr. <laughs> si on a les moyens, nous, envisageons d'organiser des, concours plus, vastes, avec des prix symboliques plus, significatifs, comme le fait euh, notre ami et frère euh, de qui sacrifie chaque année une, centaine de millions pour, pour, récompenser les dara, récompenser les meilleurs coraniques. Donc nous, ce que nous faisons ici, c'est nous le faisons avec nos propres moyens avec des, des, des, des participations significatives de, de, gauche et de droite. Donc c'est pour cela que c'est une, une, initiative locale, mais nous comptons, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, ça va s'améliorer, Inch'Allah. ci def mooy euh, sant sun borom subhanahu wa taala mi ñu may ñu defaat concours bi mu am ren ñaar fukki at ak juróom euh, té ñaar fukkat ak juróom yaaka na ren ci te ku ci amoon doom ju am ñaar fukkat ak juróom bu amagul borom kër dang ci jaaxle bu dé jigen na bu dé góor la it bu commencé gu la fayeeku salaire da ko commencé ñaanal kon nag nit buy def dara ba moom ñaar la dugal ci loola euh, sant yàlla euh, waaye sant aussi association islamique yi nga xam ne mu ni ma ko waxee woon barki démb ci Touba TV maanaam ni bokkoon na bokkul ren waaye benn daara bu ne Sénégal muy daara Seyda Mariama Niass daara Kokki daara benn daara mu musul bu ne Sénégal gi ni musul jee bokk euh, man xamoo ko donc concours boo xam ne ñëpp bokk nañ ci ndax ñu dañ ko ubbil ñëpp defuñu ko concours tarixa defuñu ko concours ko def concours sous régional ba ci sous région bi sax réew yi nga xam bi euh, loolu aussi ko dégg Makka di ko ma waxee bi am mooy safoo alquran kon nag ñun aussi suñu gouvernement réew ñun man xam naa ne président Macky Sall ku safoo diine la ku safoo alxuraan la ndax safoo diine moo tax bagu arab bi nga xam ne mosa dugg ci benn université Sénégal léegi mi ngi dugg ci université Sénégal yi safoo diine moo tax tey ji kër diine bu ji bu ci moo tax tey ji subvention yi mi ngi ko jël di ko jox même ba suñu mbokk chrétiens yi démb rek maa ngi seetaan journal télévisé mu yëkkati subvention yi am doole di ko jox suñu mbokk chrétiens yi safoo diine it moo tax tey ji bis bii def na ci def na ci participation am waaye nag mbir nekk dafa am dafa am dimension Sénégal la moo xam ni quatre-vingt téeméer wàññi juróom-ñeent fukk yi ak juróom ay jullit lañ réew moomu nag fu Turquie mën a organiser concours international coranique Malaisie mën ko faa organiser Iran mën ko faa organiser donc ñu ngi ñaan loolu nag laay biir la du ñaxtu ndax Sénégal day def loo loo wax jëmee ci kaw rek ñu ne ñaxtu na ñun ñaxtuwuñu dañuy addiinu nasiha yonent bi sallallahu alayhi ne diine lislaam dina laayante biir la alxuraan wax ñu ne wa amruhum suura baynahum ay jullit dañuy diisoo dañuy dañuy sottante xalaat moom ab jullit la ñun ay jullit lañu nekk kon nag ñu ngi ñaan déwén incha allah na Sénégal organisé benn concours international boo xam ne état du Sénégal moom moo ko initié àdduna bi fu ne nit jógee fa ku fi gagné ñu ne kii jël na ko bi monde di Coran te Sénégal la ko jëlee ndax comme ni ma ko waxee aussi yi moo waroon def lii defu ko aussi yi moo ko def aussi mooy mooy mooy mooy kiiraayu lislaam bi nga xam ne moo dajale mbooleem réew jullit yi defuñu ko te waajuruñu ko def kon na kilifa kilifay réew yi jullit yi réew mu nekk kilifa gu nekk ci réew ma nga nekk war ngaa initier lu mel nii taxawal national international boo xam ne réew mak maki mooy génn lu mat 5 milliards def ko ci concours boobu ay doomi jul jógee fu ne ci àdduna bi toog fi lu mat ñeent fan di lekk ak naan bu ñuy dem kenn ku leen jox xaalis bu bëri nga jëlee ko ci xaalisu Sénégal mu dem daj àdduna incha allah ci lu alquran karim particulier mooy bëgg gi ñu am ci ndam li Sénégal am ren ndax bés bu ne ngeen gis at mu jot wala juróomi at yu ne xam coupe du monde par ñaata at am sax quatre ans yu nekk ñu jël ay milliards def ko ci coupe du monde mu suñu wéy coupe ñetti at ñu ay milliards def ko ci coupe d'Afrique def ci ay xonk ay mayook ay staff ak ay hôtel mu suñu dara du basket du dara léegi nag bu amee ay doomu Sénégal yu wane seenu njàmbaar di jàng ci ruqu xaar yi di sol sagar di sol yére tilim ba mën a dem ba Malaisie Malaisie fii ak Malaisie fukki waxtoo ñaar avion fukki waxtoo ñaar bu xam ñaata kilomètre ci ci ay doomu Sénégal dem foofu daje fa ak ay turki ay saoudien ay égyptien ay iranien jël coupe bi indi loolu mooy wane ni Sénégal alxuraan moom moom moo ko moom te alxuraan moo fi sax mag ñi fi am do tey alxuraan moo leen may li ñu am Touba gee alxuraan dafa samp mu mel ni mel tey noonu Kaolack noonu muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si nga xam ne foo dem ci àdduna bi turam a nga fa bibliothèque gën a mag ci àdduna bi boo demee fekk fa téeréem alxuraan la jàng jàngu français yàlla ko fàtte ci français mais alxuraan la jàng kon alxuraan mooy base bi mooy secret mooy mbootum Sénégal kon nag ñi ngi ñaan waa Sénégal ñu jox alxuraan doole fulaal alxuraan te ku taxaw ci bopp réew mi te fulaaloo alxuraan yaakaar na alxuraan dina la seetaan te bu la seetaanee bu